ce qui yëpp attaqué juge attaquer président de la république attaquer attaqué armée loolu nous ñun ñëpp xam nañ la candidature alors que waxtaanoo sax ak sa parti parce que vous avons ne parti pour war na démocratie interne parce que booy bu candidature yi ci parti ba pare candidature du élection présidentielle moo élection député élection locale diana, une élection locale parce que moom une élection de élection législative jeex na waxuñu élection législative yaakaar na ni mën na laxasu ci ay élection pour que digganteem Adji Sarr ñu bañ koo leeral ñun de waxuñ ñi Ousmane Sonko moo tooñ waxuñ ñi Adji Sarr moo tooñ dañoo wax ni dañoo wax ni justice nañ ko rendre na attekat yi wax fan na dëgg féete bu dee Ousmane Sonko moo am dëgg na ko attekat yi wax bu dee Adji saar moo wax dëgg na ko attekat yi wax loolu la laaj laaj ñu mënuñ am tey suñu camarade de parti bu nga xam ni yàgg nañu ànd ak moom mu nekk responsable ca Fatick nekkoon fii directeur général du COUD nekk responsable bu mag ñu accuser ko yu mel noonu te muy défendre di bon ba tey defu ci dara ñu tëj ko ñu bàyyi ñeneen ñi accuser de la même chose ñuy doxantu di saaga ay président de la république ak armée dañoo bëgg que les citoyens soient au même pied dañoo bëgg que les citoyens soient jugés et dit Sarr, comme tous les citoyens du Sénégal, a droit à la justice. Il du magistrat du la politique là. ci vois le candidat mbir la moo xam ne on suivra ce que la justice loolu conseil constitutionnel lui décidera mais avant ñu faut egg si quand même d'être candidat ci moment yi nga xam ne waroo candidat Il y a un candidat am problème pour les Sénégalais Sénégalais y nga amal problème à Sarr Adja Adji Sarr laa koy waxee man léegi Adja Adji Sarr waaw Adja Adji Sarr nga am problème ak moom ndax yéene naa ko mu dem màkk bu ci yàlla àndee heure bu paree li dox noonu dinaa ko utal billet màkk xëy na mu dem mu dem aji quoi Adja Aji Sarr nga am problème ak aja Aji Sarr léegi boo amee problème ak Adja Aji Sarr problème boobu jeexul parewul ah ci mbir boobu nag ñu pare ci élection ngay jël kàddu au lieu ngay set mu da ngeen mus a dégg ci limite safee gémmiñ di wax yëpp di saaga mus naa jël kàddu tontu ci mbirum Adji ci opinion publique lu tax loolu yow neex nga làmmiñ bari nga bëgg nga lu tax Adji Sarr bi lay tuumaalee mënoo ci indi tuuti éclaircissement yéen journalistes yi tamit comme dafa chaque semaine chaque vingt jours dafay woote ay point de presse lu tax du ngeen ko ci interpellé yéen saa yi xanaa amu leen courage boobu loolu daf may jaaxal dafa war a leer dafa war leer nee nañu Adja Adji Sarr yéen journalistes yi laay waxal Adja Adji Sarr li gars yi ni lay waxee doyooyu na ci tontu tuuti même bu dee one minute.

yéen journalistes yi dee leen ko ci tuuti interpellé bii baax bu leen wooyee point de ñu ngi xaar ngeen même bu ko waxul ngeen interpellé ko ndax mu indi ci tuuti leeral loolu dafa am solo trop.